na exactement euh, de plus en plus des seen photo photos pour nous trouver euh, pour nous pour nous trouver comme metti na lool si li nga xam nekk mu Google bi exactement quelques-uns peut-être à part les Abassa à part aux encombrements les Biram sur Diop euh, ak Cheikh Tidiane Dieye mais mon a étant d'autres étant d'autres mais ministre yi gën a am solo lu forces armées ak aussi li nga xam intérieur donc nga ko dénk ay personnes yoo mën a yu mën a ay neutre exactement bonne analyse que tu concrètement Non, la question de neutre ou pas, c'est une question de choix. C'est-à-dire, un entraîneur, quand il met ses joueurs, il sait bon système de jeu la war indi. Donc, le système de jeu, indi moy liguey. Amul lenen. Légui rien. dama on gagne avec ses amis, ses alliés, mais si on veut gouverner, on gouverne avec des compétences. Même tes amis là, il faut qu'ils soient compétents. Et Sénégal, tu as des compétences. Tu as des compétences. Tu compétences. Tu as comme Tu as dit, du du pas un profil politique donc ça veut dire la chose politique c'est la chose politique mais le fait de gouverner avec des compétences si on va avoir des résultats c'est clair n'est-ce pas Nous, ñëw nga ne jël nga ministère de l'intérieur en général kan nous, ko a xam sécurité. Jean Baptiste. oui mais ak Angers, je vais pas entrer dans certaines considérations pour parler de général Fall Ce n'est pas mon problème. Hmm. pour moi, il a servi son pays mais nekk général xamna besoin de sécurité yi. Hmm. dañuy xaar ci mom li jëm ci Sénégal mu doxal ko. parce que intérieur neemul rek sécurité il y a le renseignement. Hmm. ak yenen ak yenen hmm. pàcc ci donc pour moi c'est c'est c'est une excellente chose n'est-ce pas au moins on va pas dire qu'on a mis ministère de l'intérieur en politique quelqu'un membre de d'un parti X ou Y n'est-ce pas benen bi pour les armées euh, souvent le ministre il est civil ça ne pose pas problème. Omar Youm a été ministre de la Défense, Sidi Kaba a été ministre de la Défense, ça n'a pas posé problème. Mais c'est en plus si on prend un général de l'armée pour en faire un, ministre des forces armées. Sonko, un gouvernement de combat. Le haut Non, il y a des combats, man, des combats. Nos combats, pas dans le vrai sens du terme, peut-être pour nous. Euh, Mais moi, non, il faut des gouvernements de résultats. Ah. Non, hmm. pour moi tu prends un général d'armée, il y a beaucoup ministère des forces armées, il n'y a pas une personne mieux outillée pour, pour Donc pour moi, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous voulez avoir des résultats, on déplace le curseur pour dem mm. Par mm. exemple, amna connu euh, le ministère de, de l'environnement mm. et, de la transition écologique. C'est pas même au oh, blasa may ñew ci kan lañ ko denk. Liñ denk dafa am solo. Souvent un ministère de l'environnement. Alors que tay ñu ngi nek ci cadre classique. On parle de développement durable aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la transition écologique ça veut dire que taille, il y ressources les ressources naturelles de plus en plus de faits La transition écologique comment on va faire pour que ci ni fonctionner faire une transition on va respecter l'environnement hmm. faire une transition on va préserver les ressources parce que dans la transition écologique par exemple édifice public yi ngay tabax au électricité nga def ko solaire par exemple une transition écologique yane comportement la ñu comportement am euh, développer la citoyenneté écologique par exemple euh, dans le développement durable on parle de l'économie circulaire hmm. économie circulaire ça veut dire tout ce qui est recyclable ñu pouvons ko utiliser dans l'économie c'est-à-dire que ñu ngi def euh, jeunes quelqu'un hmm. comme Diagne hmm. dafa am projet récupérer le plastique dem table dans les écoles donc il y a beaucoup de choses à faire dans le mm. développement durable Je mm. je vais pas faire une émission <laughs> sur le développement durable mais ça m'intéresse mm. parce que de euh, mon demoon jàngi bi à l'université université Lyon en France donc il y a une stratégie de développement durable et puis pousser les entreprises à respecter la RSE par exemple donc nous, nous, nous, nous, mu sommes un environnementaliste. Dakar aujourd'hui c'est une ville ville bétonnée. Hmm. y un ay de euh, sur le changement climatique. Hmm. Les l'érosion côtière là l'avancée de la mer comprendre est-ce qu'on va continuer à avoir des ni mu est-ce qu'on va aller sur une gestion hein plus durable des ordures ménagère bonne politique la donc je crois que si on donne ça à un environnementaliste on euh, doit impulser le euh, impulser domaine d'autant plus qu'aujourd'hui il y a les fonds verts il y a les financements verts yo xamanteni des mën ko capter et puis pour pour véritablement pour faire du Sénégal un pays axé accentué sur le développement vert euh, par exemple le président Maxal a fait un effort ci ci ci énergie il mm-hmm. y a le parc éolien de mm-hmm. c'est à côté de Moro. j'ai visité le parc éolien moi, euh, si ngelaw bi mën nañ ci am courant. Hmm. comprendre Sénégal ñu ngi am naaj chaque jour nan lañ mën a def tey ban politique la ñuy au lieu que ñuy consommer euh, courant bi nga xamante ni dafay jóge ci ci pétrole bi te yàlla may nañu naaj. mu hmm. ressource. Hmm. donc pour moi, on doit aller dans ce sens. et puis bu fekkee ni ñoom dañu ñëw ils sont in ils te parlent de transition écologique moi j'applaudis et puis on donne ça à un environnementaliste hyper bien je suis très content alors Denis naan peut-être aujourd'hui ben, euh, hein. euh, euh, Sonko il est euh, pour il faut qu'on soit pragmatique. fait on a besoin d'avoir des résultats. il nous faut des gens opérationnels. pragmatiques qui maîtrisent le résultats. ok donc nous, sommes pour Porfiry de bataille, Yacine qui Affaires affaire étrangère exactement avec intégration africaine Pour ce moment, fa doon quoi qu'on puisse dire une grosse déception pour quelques-uns Taïroussar. Sarr mais non les ministère des affaires euh, étrangères euh, ah, euh, euh, étranger doon na phrase xaar si ou Sarr. intérieur euh... digganteeg étranger ak intérieur. oui mais alors xam exemple. non ça c'est l'homme de la rue qui qui est sur Facebook qui pense qui qui fait son wax sa mm. moi je peux faire mon wax sa mm, mm. n'importe qui peut faire son wax sa n'importe quel militant peut parler de son leader. mais pour moi le plus important le président de la République. On nomme son Premier ministre. Son Premier ministre, en accord avec le Président de la République, a sorti un gouvernement du Sénégal. Ici, ce qui m'intéresse, le profil de Yacine Fall, elle est connue au niveau international dans les organisations onusiennes. am a carte d'adresse et puis a une posture pour la diplomatie sénégalaise mais hmm. le plus intéressant ñëwuñu rek ne ministre des affaires étrangères déedéet dañ ñëw ne ministre de l'intégration africaine intégration africaine wax affaires étrangères donc on considère que notre diplomatie elle doit jouer son rôle dans l'intégration mm. africaine mm. d'abord et à partir de l'intégration africaine s'ouvrir au niveau étranger le ministère des affaires étrangères le Sénégal s'est toujours positionné sur le plan diplomatique avec hein, ak rôle boo xam ne war na ko jouer d' ailleurs booy xool investir Bassirou Diomaye Faye yeneen président yi a xam ne boolewuñu leen woon ci yenn institutions yi wala gedd nañ comme ki nekk Guinée ah mm. wala Burkina wala Mali. Mm. ci investir bi ñëw nañ. donc mm. déjà le Sénégal se positionne dans le cadre de l'intégration africaine pour réconcilier euh, ses présidents avec la CDAO. Le Sénégal a toujours joué un rôle dans l'intégration africaine. Maintenant, au niveau international, le euh, ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de mm. souveraineté. Mm, mm. Donc, pour nous dire il faut que moi, le profil. Et puis, je vous dis, le, ministre des Affaires. Le Sénégal a avons des diplomates chevronnés et puis en accord nous avons véritablement une politique diplomatique où président Bassirou Diomaye Faye bi mi wax il a parlé de relations diplomatiques, hmm. yoo xamante ni dañuy nawlanté ak suñu partenaire hmm, tout en respectant hmm. suñu ay valeurs donc man Yassine a al profil alors c'est une déception peut-être nga japp ni si ñu ko doon si ki n'a pas nekk analyser le fait que ce ce gouvernement bi et que euh, deux jours avant Trump fësoon na lolo. si li avons xam le nouveau gouvernement C'est moi je connais Tahirou Sar parce qu'il a été candidat il m'avait envoyé son programme ensuite euh, Fanny pose doon euh, poser débat. Mm-hmm. parfois nga a une position. parfois nga a une ak mais quand même sur certains points moi je suis d'avis que war nañu maîtriser d'abord son réew maîtriser son réew. le nationalisme non kan kan moo fi dougou, ak kan moo fi maîtriser son état civil étranger nan lay ñëwee ci yan condition lay amee suñuy bien wala am suñu cœur wala nangam ça c'est c'est un débat qui se pose moi j'ai mes oncles ils sont au Gabon sama beaucoup tukulóor yu bëri ñoo au Gabon. sama hmm. nijaay. Hmm. mais euh, dañuy fay seen carte séjour. Hmm. man mi keroog rek bi des dem mission Cameroun j'ai payé un visa pour aller au Cameroun. au Cameroun là j'ai payé un visa à peu près c'était 160 euros sur mon jour. il fallait payer le visa d'entrée pour necf mm. euh, maintenant euh, pour moi nous sommes pas un pays isolé. nous sommes dans, à l'ère de la globalisation et de la mondialisation où on a des relations avec les autres pays. Ensuite, nous sommes situés au niveau de la CEDEAO, où il <laughs> y a ce passeport CEDEAO, Donc, mm. fait garantir euh, la mobilité entre euh, les citoyens de ces pays, comment faire pour nous dans le cadre de l'intégration africaine, où chaque citoyen africain pourra avoir euh, ses droits et ses obligations mm. mais il manque à gagner parce que étranger yi dañu war fay carte séjour parce que étranger yi dañuy fait faju si suñu hôpitaux ils ont fait des doom yi dañuy école donc une bonne contribution la ñuy indi aussi sur une économie mais ils ont aussi un rôle pour jouer dans notre économie parce que nous avons des a demee euh, bitim sénégalais nekk Italie nekk France dañuy jouer rôle un ci économie dans <laughs> l'économie yooyu dañ leen dañ fay cotiser kon aussi il faudra que nous organisions organiser mais par contre. Euh, y point un un d'accord avec moi. bah j'ai pas j'ai pas besoin d'épiloguer de poser un débat sur ça. Hmm. le débat est public. Euh, chacun à son point de euh, vue est-ce que du discours non parce que gis nañ Amnesty International di exactement par rapport à kàddu d'une armée de qui mu vis-à-vis suñu beaucoup dina xam que parce que pour moi d'abord moi je me considère comme un Africain perso moi je me considère comme un Africain parce que Dia fait que je suis un peu les peuples sont en Guinée, au Kenya, en Éthiopie. Il faut qu'on pense africain, unité africaine. Euh, moi, j'ai d'excellents rapports avec euh, les étrangers qui sont dans mon pays. École Bimoron on avait 22, 22 nationalités différentes mm. et tous c'était des Africains. On ne peut pas parler d'intégration africaine, parler d'unité africaine, après faire de, essayer d'exclure certains. Par contre, euh, un étranger dans un pays de femmes, des règles édictées pour tes corps. Mm. moi je considère qu'il n'a pas posé un débat raciste. Mm. ou xénophobe je ne pense pas. parce mm. que je ne peux pas dire qu'il a a prononcé un discours xénophobe. ou l'a essayé d'exclure mais aussi dans notre moyen économique certains secteurs sont dominés par les étrangers. Au moment où les gens disent France dégage, parce que la France a une mainmise sur, sur notre macroéconomique, <laughs> pratiquement. Mais aussi, c'est une réalité aujourd'hui. Euh, suñu ñun bi ñu nekk xale après lañ dox affaire événement nar boutique yi nekkon marché Zing tale bu mag yépp nar yi ñoo fa nekkon après bi loola amé nar yi dem nañ tay yenn commerce yu Guinéen hmm. ñoo ci nekk. moi hmm. j'ai j'ai rien contre les Guinéens parce que à Pikine je connais des Guinéens yo xamante ils ont commencé à zéro. Hmm, je je peux te donner le nom de de quelqu'un il s'appelle Général. biñu ñu nekk xale day yenn ay matla jóge Sips lu mot dix matelas lay tek ci bopp ci naaj bu bu jëlé matelas mi ko def ko ay petit à petit commencé yok commencé commencé ay ay ay ay ay ay portarido légui dem ba mu entreprise bu ba mu dem ko moment bi ay di di dox ci naaj bu hmm. sénégalais di naan il faut pas qu'on rejette la faute aussi sur les autres parce que les autres aussi dañuy ñëw ci dëkk bi di liggéey. parce que li ñuy nangoo liggéey sénégalais bi nangu koo liggéey demal caaroy marché caaroy ñan ñoo fay jàmb carotte ban sénégalais ngay ñëw nga ne ma kaa nga jàmb carotte ça aussi ñun tamit euh, il faut pas qu'on rejette la faut au sot ah. ok alors c'est exactement euh, ñu daal di ñëwaat tamit euh, si keneen koo xam ni tamit foofu ñu daal di taxaw si moom un peu di li nga xam ne que moo di.